waaw sant yàlla xanaa mbir rek dana jëfoon nañu passage ci def na léegi 3 mois 4 mois mais dañ ko arrêté woon avec corona bi te ñu jagale tey jàpp le 11 avril pour remettre yoo xale seen remise de diplôme vraiment xam su jàngalee xale ba fii ba nga koy jox ba nga koy jox diplôme kontaan bi da trop yow maître day mel ni yaa ngi gën a avancé parce que soo amee sañ-sañ def passage ci rek da gën a am yaa

karaté mooy armage martial bu nga complet discipline bu bu noble la. c'est des sentiments de fierté hein, beaucoup de fierté hein, parce que c'est des événements qui honorent le karaté et les donc c'est avec plaisir que je suis venu ici pour soutenir mon frère et aussi membre de la Ligue de karaté Pape hein, pour le développement de sa structure qui est dans le centre de karaté. Ben, avant de lancer un appel aux je dis le karaté c'est de très bon rail. Actuellement, nous sommes en train de de faire nos tests dans le week-end, récemment, le président de la Fédération de la était dans nos locaux, c'est à guinée On a fait un stage et puis un stage d'arbitrage. Donc, sur tous les plans, administratifs et techniques, le comme fonctionne normalement. Maintenant, sur le plan national, récemment, ça fait même pas deux semaines, on a été à Thiès, au de thiès pour participer aux championnats nationaux. Donc, je dis que tout n'est pas rose, comme on le dit, mais au moins on est présent sur le, plan, sur le national, et, ça c'est bien. C'est vrai que nous sommes diminués financièrement, on a beaucoup de problèmes. Hein, on aurait souhaité pour mieux émerger, pour mieux s'épanouir et pour mieux s'imposer sur le plan national, nous avons beaucoup plus de moyens. Et ça aussi, c'est de l'actif des autorités, des autorités municipales et locales aussi, qui, gèrent, la région. Ce que je dis toujours, c'est que ce n'est pas à nous d'aller vers eux. C'est à eux de venir vers nous. Parce que c'est eux qui nous gérons. C'est eux qui nous gèrent. Hein? Parce que, euh, comme je le dis, c'est les délégatés de pouvoir. Ils sont là pour gérer les sports, les sportifs. Ils sont là pour gérer euh, la population. On ne peut pas aller tout le temps pour demander ou bien demander des choses. Ils nous accompagnent, ils font leur boulot, ils nous accompagnent pas, bah, ils nous font leur boulot. Nous ne sommes pas des demandeurs, nous sommes apolitiques. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des, légalistes, comme on dit. Nous sommes des, des, délégatés de pouvoir. Nos pouvoirs, nous, nous l'héritons de, la Fédération sénégalaise de karaté. Nous gérons une structure officielle et qui dépend, l'administration dépend de l'administration générale. Madame, c'est le Sénégal qui gère, c'est l'administration qui gère. Donc, s'ils nous laissent en rade, c'est qu'ils ne font pas leur boulot. Ah, mais ils n'ont qu'à mieux s'imprégner de la situation des sportifs en général que hein? tous les sur, il y a le sport, il n'y a pas que le football. Ils mettent des millions pour le football, ça ne rapporte absolument rien. On n'a jamais été champion d'Afrique ni champion du monde. Mais en karaté, tous les titres mondiaux que nous avons au Sénégal, c'est le karaté parce que nous le donnent. À part une médaille d'argent qu'on avait aux Jeux Olympiques avec Diaba. Mais tous les autres médailles qu'on a, médaille d'or ou médaille d'argent sur le plan mondial, c'est le karaté. Hein? Si ce n'est pas le karaté, c'est le taekwondo. Donc il faut que les gens chacun garder des raisons, ils se disent que, d'une manière générale, il faut travailler pour l'espoir en, général, pour que tous les gens voient leur intérêt et que euh, l'espoir en général s'épanouisse. Hein. je dis que c'est malheureux qu'on reste euh, toujours à aller demander au maire une subvention, au gouverneur une subvention pour un problème ponctuel. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut que les gens se mettent leurs mains, qu'ils savent que nous, nous avons des pouvoirs délégués